Il leen wax ne que Afdal mi ngi judd en mars 2013 bi mu en mars 2013 à Dakar il faut qu'on décentralise ñu ñu à Dagana ñu commencé par euh, Dagana def assemblée générale mu am 1023 femmes ñu dem Gaye am 1042 femmes dem Bokhol am 709 femmes dem Mbilor am 226 femmes ñu né léegi qu'est-ce que l'Afdal va faire ñu l'Afdal est mise en place pour promouvoir le développement économique et social de la femme par le biais de Madame le ministre Anta Diako, que je remercie au passage. Nous sommes AFDAL pour faire travailler les femmes qu'est-ce qu'on fait Nous ne dañu diviser en zones d'intervention ñii dañuy la pisciculture ni dañuy def transformation ni dañuy def euh, coiffure pour les jeunes filles et ni ñi def comment allons-nous faire ça comment on va réussir ça mais nous commencé par la transformation parce que l'unité, bi ce tax mu ñëw fi bi fi unité bi ñu par tout titre di jënd ceeb madame le ministre de la je vais vous donner de l'argent vous allez acheter du riz vous travaillez vous me remboursez mon argent parce que dama def unité pour promouvoir le développement économique et social de la femme donc pour vous accompagner je ne vais pas continuer à vous donner de l'argent mais dama vais di jàngal de ñuy Nous ñu continuer à di à di décortiquer di jaay kees ak toutes les communes de Dakar femmes yoo xamante ni elles sont membres de l'AFDAL ñuy jënd ceeb bi di ko jaay ñu ne fii au niveau local nañu jël di ko jaay les femmes qui veulent travailler ñu ne ana nañ leen koy yombalee nañu ñëw jël jaay jël si seen bénéfice delloo si ce qui diir dire que ni prix bi ñu war a jaayee jigéen ak ki ñuy jaayee keneen koo xamante nekk ci biti du du benn léegi par rapport à ça ñu ne nañ def étivage étivage waxoon naa leen ko léegi dafa nekk ceeb boo xamante ni lépp loo xamante ni gom na dañ koo dindi gom boobu yëpp dañ ko dindi ndax lan gom boobu mooy faagaagal doomu aadama gom boobu mooy indil nit ñi jabet ñu ne ñun nañ ko dindi mais bu ñu dul nutritionniste mais lépp loo xamante dafa waroon gàllankoor nit ki ñun dindi nañ ko kon donc gom boobu dañ na ceeb bi mucc na ayib nekk na ceeb bu digeste soo koy lekk mën naa leen ne bu la neexee doo doo tukki da ngay taxaw parce que ceeb bu neex la ceeb bu digeste la mën nga ko togg sumbi mën nga ko togg ceebu jën ceebu yàpp lépp nga ko mën togg ñu ne nag nan la ñuy defaree ceeb boobu bu ñu jëlee ceeb ba ca tool ba dañuy ñëw ba fii ñu jël si benn saako bu ñu jëlee pati bi ñu ne lii dañ koy nettoyé ba mu set pati ñaax dañ koy nettoyé ba mu set suñ ko nettoyé ba mu set ñu sebet ko suñ ko sebetee ba mu set ñu def si eau de pour rey jàngoro euh, doomu jàngoro yu si nekk waaw def doomu jàngoro yu si nekk yëpp ñu rey ko bu buñ ko reyee nag ba pare ñu ne xaaral ñu trempé ko trempage bi nag mooy ne dañ koy def ci cin

soo égouttage ba étuvage système tay étuvage de telle sorte que si vous humide vous avez le lendemain pour avoir ce produit fini qui est le riz étuvé pour capacité tonne l'heure tonnes par jour plus 20 tonnes par jour mais puisque nous sommes en 2017 les moyens ne suivent pas Nous avons nag avec les moyens du bord Nous avons di par l'aide encore et l'appui de madame le ministre Antassar, nous ñu def décortiquer commercialiser dans les zones où les femmes membres de l'AFDAL sont là-bas. Euh, pour pour pour fi on avait formé 40 femmes dans le cadre de l'étivage nous avons formé par groupe former plus de 150 femmes ont été formées am na ñoo xamante sax tey deux jours elles finiront par étiver elles-mêmes donc nous na mais processus mais na euh, et on lance un appel à toutes les femmes surtout les jeunes filles parce que j'ai l'habitude de dire que nous, mag ñi ñoo fi mais il faut qu'il y ait une relève générationnelle